21 janvier 2022. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève, et cela avec des confrères des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite de travail de 72 heures du président de la République Bazou Mohamed dans la région de Tawa. Il sera aussi question de la journée de réflexion post-signature de la convention collective de la presse à Niamey la semaine dernière par les acteurs des médias. Aussi, nous parlerons des perspectives du recrutement cette année à la fonction publique des enseignants du primaire, du secondaire et de l'enseignement professionnel et technique envisagé par le gouvernement. Nous terminerons avec du sport, une analyse à mi-parcours des compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations football Cameroun 2021. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons Memouna Djadou, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafisa. Ousseini Issa, il est également journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et Ousmane sidi Doumbia, journaliste indépendant également. Bonsoir. À la modération, c'est Nafisa Adam Sefo. Chères auditrices, auditeurs, téléspectateurs de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a entamé le lundi 17 janvier dernier une visite de 72 heures, une visite de travail dans la région d'Ottawa. S'adressant à la population, à son arrivée, le président a déclaré être venu pour voir les problèmes que rencontre le pays. Et dans le cadre de son séjour, le président de la République s'est rendu dans plusieurs, dans certaines localités, euh, victime victimes à plusieurs fois d'attaques des groupes armés tels que Tilia, Tebaram. Alors je commence par vous, Maimouna. Euh, le président a déclaré être venu euh, à la rencontre des populations, voir les problèmes qu'ils rencontrent. Vous, de votre côté, avez-vous d'autres motifs du séjour du président de la région d'Ottawa oui, euh, euh Nafis, ce que je pourrais dire par rapport donc, à la visite euh, du président de la République au niveau de la région de Tawa, mm. c'est une suite logique d'abord donc des tournées qu'il a eu, oui, de terrain qu'il a eu à faire euh, dans d'autres régions mm, comme Diffa, Maradi et Tilaberi. Donc, c'est les régions qui sont aujourd'hui en proie à l'insécurité. Donc, euh, il fallait pour euh, le président aller, surtout que nous savons que euh, Tebaram a été victime des populations, oui, oui, d'attaques terroristes il y a quelques semaines de cela. Mm. il fallait, après Tilaberi, essayer d'aller vers Tawa pour vraiment s'enquérir de la situation, réconforter. réconforter ces populations qui sont meurtries. Euh, voir quelles sont également les mesures à prendre pour euh, que la sécurité revienne dans cette région. Et, surtout parce que, quand, parce que moi, j'ai suivi l'étape de Tebaram donc, où les populations lui ont carrément dit voilà leurs besoins. Euh, il n'y a pas de casse de santé, tout mhm, est fini, mhm, mhm. tout est parti en flammes l'insécurité, l'école, ça ne va pas. Donc, les populations ont déjà commencé également à plier mm-hmm. bagages pour se retrouver de l'autre côté. Donc, c'était vraiment euh, cette situation-là. Il est parti, il les a écoutés et il les a rassurés que euh, de leur donner ne serait-ce que quelques jours pour qu'ils reviennent et puissent mettre euh, un dispositif de sécurité mm-hmm. au niveau donc de cette zone qui est en proie à l'insécurité. Je me dis que c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Nous allons regarder en fait euh, euh, ce qu'il a dit, s'il y aura euh, une suite logique de ce qu'il a dit sur le terrain. Parce que chez nous, on a l'habitude de poser des actes, mais il n'y a pas de suivi. donc, on espère hein. que cette fois-ci, que ces populations, les paroles, l'engagement du président de la République soient reconfortés et viennent reconforter ces populations par la mise en place de dispositifs sécuritaires et ramener également les services euh, comme euh, les services sociaux de base, mhm, mhm. pour que ces populations puissent euh, bénéficier et poursuivre la vie normal, mhm. je pense. Justement, Ousseini, donc, euh, quelles peuvent vraiment être les retombées de ces visites terrain Parce que, comme l'a dit Memouna, c'est une suite après Difa, euh, Maradi, Tilaberi, il, est il, il, est il, il, était à Ottawa. Donc, euh, auprès des populations affectées par ces attaques, quelles peuvent être vraiment les retombées de ces visites terrain du président de la République D'abord, la qualification même du déplacement, moi, j'ai trouvé ça incongru. Une tournée peut-être. expliquez une tournée. Mhm. Visite de travail suppose quoi Ça suppose que je suis allé dans un autre pays pour travailler avec un autre pays en vue de renforcer la coopération et autres. Mhm. Dans ton propre pays, où le gouverneur, c'est toi qui l'as nommé, les préfets, tout ce beau monde-là, mhm. tu vas aller faire une visite de travail de trois jours, pourquoi Il est parti s'inquiéter de conditions. S'enquérir on lui rend compte tous les jours, en principe, de ce qui se passe en profondeur de ce pays-là. Mm. En principe. En principe, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Chaque matin, on doit lui rendre compte dans telle région, voilà les problèmes, voilà les problèmes, voilà. Le problème, il est encore dans une posture d'engagement, de promesse. Mm. Ça ne règle pas les problèmes. N'est-ce pas à Tilaberi. Il s'est déplacé, il allait jusqu'à Lanzourou. Il a dit qu'il va prendre les dispositions. Il y a toujours la menace. Les gens sont attaqués. Dans la région de Difa, il y a des enlèvements. Dans la région de Mahdi, il y a des enlèvements et mhm. tout et tout. Moi, j'ai dit non. En matière de gestion d'un État, il faut savoir arrêter un moment pour dire concrètement voilà ce que je vais mettre en place et qui est des actions qui sont visibles. Donc, selon vous, ces, ces, visites terrain n'ont pas leur raison d'être Moi, quelque part, je dis il est parti féliciter les gens de Mais il est bien bon qu'un président puisse aller à la rencontre de sa population. De travail, tourner en profondeur. à la communication, il devrait peut-être changer de... Tourner en profondeur. faisait selon ça. Selon vous, oui. tourner en profondeur. <laughs> Mhm faisait ça. Oui, il n'est pas Non, non, non. La terminologie, tout à fait. Quand, on parle de visite de travail, ça suppose que c'est comme si tu es parti, le gouverneur, tu vas t'asseoir avec lui pour arrêter un certain nombre de choses. Hmm. Alors que le gouverneur, tu peux l'instruire par rapport à des choses qu'il doit poser comme acte. Hmm, hmm, N'est-ce pas Mais visite de travail, alors, ce gouverneur, c'est ton égal. Est-ce que le gouverneur, c'est ton égal Mm. Voilà un peu comment moi j'ai perçu cette sortie-là. Un peu sceptique, si on peut le non, Non, non, non, ce n'est pas une question. Mais je suis dans le scepticisme et c'est tout à fait normal que je sois dans le scepticisme mm-hmm. quand je constate que on prend des engagements, mm-hmm, mm-hmm. mais il n'y a rien qui change. Aller à Tilia et pour voir les populations, prendre des engagements devant les populations, c'est ça qui va arranger les choses. C'est des choses concrètes les gens veulent voir. Comme quoi Comme quoi créer les conditions pour que les attaques là, sporadiques là, puissent, euh, comment, N'est-ce pas La sécurité des personnes et de leurs biens. Mm-hmm. Mais allez simplement s'arrêter devant une foule pour dire Je suis venu vous voir. Mais, alors, alors ça, ça change quoi Ousmane Sidikou, vous, de votre côté, comment vous vous percevez ou bien quelle analyse vous faites de ces visites terrain du président de la République euh, Merci, madame. Et euh, moi, je l'analyse euh, sous deux angles. Le premier angle, dans un premier temps, le fait de se déplacer pour aller personnellement, mhm, mhm. je pense que c'est une sorte de peut-être de démystification de ces groupes-là, c'est-à-dire la peur, la psychose qu'ils veulent, euh, bien qu'ils ont déjà instauré, c'est peut-être aller dans une sorte de démystification de, de, de, ces groupes terroristes-là. Mhm. Vraiment, c'est un courage, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Mais le second angle. C'est des localités en proie. Mais mhm. le second. Euh, angle sous lequel je vois la chose, c'est là où je joins euh, vraiment mes propos à ceux de Husseini. Mhm. il faut plus d'engagement. Il a été à Nzuru, il a été à Banibongu, il a été à Tebaram, il a été à Tilia, bien avant Maradi, dans des localités où euh, vraiment euh, l'insécurité est, assez perceptible. Mhm. Les populations la vivent dans leur chair et dans leur âme. Donc vivement la concrétisation des engagements. Vivement, c'est-à-dire aller au-delà. Surtout que euh, quand vous remarquez, après toutes ces visites-là, dans ces localités-là, il y avait eu des, attaques, pas plus tard qu'à Tilia. Mhm, mhm. Hmm? à ça fait pas. Gawé, c'est-à-dire euh, euh, une localité à quelques encablures de Tawa, aurait fait l'objet d'une attaque. Mhm. Donc vraiment aller plus au-delà des engagements. Il ne suffit pas d'aller ou bien euh, faire prendre un, bain de foule, mhm. tenir des engagements, ça c'est bien. Mais vraiment aller au-delà. Mhm. Aller au-delà, c'est quoi Pour que après ces visites-là, que ces populations, que ces localités ne fassent pas l'objet mhm. de ces attaques-là. Or, à l'épreuve des faits, c'est le contraire. Donc, vraiment, revoir la copie, mhm. c'est bien beau d'aller compatir, c'est bien beau d'aller physiquement mhm, euh, constater de visu, mais les engagements, une fois pris, il faudrait qu'ils se matérialisent pour que nous n'assistions plus ce à quoi nous sommes en train d'assister. Après chaque visite, ces mêmes localités euh, visitées là font l'objet euh, d'attaques. Donc, vivement, vivement. Donc, Oui, rapidement. C'est que avant son déplacement, on a sécurisé toute la zone. <laughs> N'est-ce pas Bon, si elle a été sécurisée, est-ce qu'elle ferait l'objet non, non, je veux dire. C'est tout normal lors d'un déplacement. C'est un courage quand même, Husseini. Refermons ce chapitre. Refermons ce chapitre. Donc, vivement la concrétisation des engagements pris par le président lors de vraiment de ses visites à terrain, surtout dans les localités de sécurité. Autre point de ce forum de la presse, le ministère de la Communication a organisé le vendredi passé une journée de réflexion post-signature de la convention collective de la presse à Niamey. Cette rencontre qui réunissait les acteurs des médias est placée sous le thème Quelles mesures d'accompagnement pour les médias Alors, Ousseini, visiblement, cette rencontre est une autre étape euh, de la mise en œuvre de cette convention mais je veux dire, quelque part, c'est un ministre qui est vraiment actif. parmi tous les ministres de, la communication qu'on a eu, lui, il s'est mis, comment dire, dans l'optique de faire avancer les choses. Mhm. Parce que cette histoire de convention, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Il est parvenu à faire signer quand même euh, la convention. C'est une avancée. C'est une grande avancée, il faut le lui reconnaître. Il a pu faire avancer les choses, amener, euh, mais bon, le problème est toujours là, en l'état. C'est la mise en œuvre. La mise en œuvre, n'est-ce pas On sait c'est quoi le problème par rapport à la mise en œuvre. C'est quel le problème C'est quoi le problème le Les promoteurs est-ce que j'ai besoin de dire c'est quoi le problème C'est le promoteur. Changer les choses, ça dépend de la volonté. Je ne sais pas, il y a combien de promoteurs qui ont signé les organisations des promoteurs, certainement. il y en a combien qui ont signé l'acte Hein mhm. il y en a qui n'ont pas signé. Il y en a qui n'ont pas signé, n'est-ce pas C'est ça l'enjeu majeur. Parce que c'est avec la signature de ces promoteurs-là que les mm. conditions peuvent être changées, que la loi, ou du moins la convention, peut être mise en œuvre. Mm. Mais tant qu'ils sont dans leur posture de ne pas signer, ça va être compliqué. Mm. Maintenant, quel type d'accompagnement oui. Quel type d'accompagnement D'abord, quand on regarde un peu le fonds alloué à la presse, le fonds d'aide. Le fonds d'aide à la presse, oui. À la limite, à la limite, c'est des cacahuètes. N'est-ce pas Maintenant, ce, non, sont, non, des matériels mais, et autres mais, quel matériel oui. C'est qu'aujourd'hui, ils sont allés jusqu'à considérer que c'est eux qui doivent gérer à la place même des promoteurs. Mhm. Le fonds même, l'argent même qu'on, c'est eux, c'est le CSC qui doit. Non. Donc ce n'est pas une bonne décision. Non, moi j'ai dit, j'ai discuté avec, euh, y compris les responsables du CSC, j'ai discuté avec eux, j'ai dit non, ça n'a pas de sens. Parce que c'est quoi Le fonds a deux volets, hmm. normalement. Il y a le volet direct, c'est-à-dire le financement, où on donne de l'argent parce que tu as un plan d'investissement, on te donne de l'argent. Hmm. Le financement indirect ou le soutien indirect, c'est les autres aspects. non. non, je veux dire, par exemple, la téléphonie, hmm. créer les conditions pour que quand on est journaliste, qu'on ne puisse pas appliquer les mêmes tarifs aux, journalistes, n'est-ce pas mm, mm, mm. Quand vous vous déplacez, et ça avait existé à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il faut mettre fin, il faut créer. C'est ça, l'aide indirecte. Mais on, ne met pas l'accent sur ce volet-là. Parce que les compagnies de téléphonie, le journaliste, il utilise un téléphone tous les jours pour appeler un contact. Euh, vous... On crée les conditions, par exemple, pour dire, pour, quand il s'agit du journaliste, voilà la tarification. N'est-ce pas une fois qu'il est déclaré, quelle que soit par elle la compagnie, l'opérateur de téléphonie, qu'on puisse que ce soit les fax, parce qu'à l'époque, c'était fax. Donc, en gros, autant euh, de, problèmes autour de la mise en œuvre de Mais non, mais non, il a fait ce qu'il a pu faire, il l'a réuni, ils ont discuté. Mais le problème de ce pays, le problème, le véritable problème de ce pays, les gens se réunissent pour discuter. Mhm. Mais pour quelle suite parce que le tout n'est pas de venir s'asseoir, on dit forum, ceci, cela. Les gens sont là pendant une semaine, ils ont échangé, ils ont mangé. Après, rien. Hmm. On fait des résolutions, des recommandations. Rien. C'est d'ailleurs, peut-être la raison de ces journées de réflexion post-signature, peut-être on espère. Euh, mais, mais ils, ont discuté, ils ont, j'ai entendu un peu les recommandations, les résolutions. mais ça va aller où ça va aller où Parce que tout simplement, c'est pas parce qu'on s'est réunis pendant 48 heures ou 112 heures mhm. pour échanger que les choses vont bouger. C'est une question de volonté mhm. et une question de détermination pour amener les acteurs concernés ah. pour faire évoluer ce dont on a décidé. Et les enjeux, ils sont nombreux. Donc, selon vous, quels sont vraiment, réellement les enjeux de cette euh, mise en œuvre de cette convention pour les employés et les employeurs même indépendamment que ces mêmes enjeux soient nombreux, moi je dirais qu'ils sont euh, multiples. Mhm. Pourquoi Parce que dès au départ, c'est vrai, il y a cette volonté politique-là de l'autorité en charge de la communication, mais le coach a été raté dès au départ. C'est quoi euh, le raté C'est d'avoir mis au devant une structure qui aimerait faire, ou bien qui est en train de faire cavalier seul, c'est-à-dire le conseil d'administration de la maison de la presse. Mhm. Vous ne pouvez pas, vous, en tant que conseil d'administration, faire fi euh, des avis, des observations des promoteurs, des organisations socioprofessionnelles de la mhm, presse. Mhm. Aujourd'hui, à quoi qu'est-ce que qu'est-ce est-ce que cette convention, qu'est-ce qu'elle vaut mhm. je, Loin de moi de faire l'avocat ou bien de défendre les promoteurs, mais quelque part, je pense qu'ils ont raison. C'est quoi leur raison aujourd'hui, madame Quand vous prenez euh, les organes de presse, je vous assure, à défaut de les citer, ils sont nombreux à avoir des arriérés de salaire. Mm. Aujourd'hui, c'est se faire harakiri quand ils vont vouloir accepter cette convention sans pour autant que les choses soient claires. Parce qu'il ne s'agit pas, de... venir signer, signer. Mm. Aujourd'hui, moi, je peux venir en tant que promoteur, signer. Avant même que je ne signe, quand je me débrouille quand même vraiment du mieux que je peux à, assurer le, salaire de mes, mm, mm, mm, employés. Mais avec cette signature-là, je vous assure, madame, c'est se mettre la corde au cou. Et c'est là où je dis le coach a été dès au départ, que le conseil d'administration feigne ou bien ignore les préoccupations ou bien disons les, recommandations de, ces associations euh, euh, des promoteurs. Eux, ces mêmes promoteurs aussi, ils doivent quand même lâcher du last parce que quoi qu'ils veulent, eux-mêmes sont par exemple sur la redevance de Horten. Eux-mêmes savent, ils, ça fait partie de leur... Eux-mêmes savent que l'État ne va pas, euh, euh, au moins pour la publicité. Donc il faudrait, selon vous, revoir vraiment tous les facteurs. Euh, tous les facteurs et impliquer tous les acteurs. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous voyez, je vous donne au pif, prenez une activité du conseil d'administration de la maison. Est-ce que cette activité est couverte par les, par les médias privés Non. Donc vraiment, vous ne pouvez pas vouloir engager ou bien engager un processus tout en ignorant ou bien en, faisant fi des, des, des, des recommandations, des observations de, de, certains acteurs. Mm-hmm occasion pour moi vraiment d'interpeller, que ce soit le ministère en charge de la communication, le conseil d'administration de, la maison de la presse et même ces promoteurs-là, mhm. il faudrait que individuellement, chacun revoie sa copie et qu'il recrée le cadre le cadre d'échange pour véritablement aboutir ce à quoi tous nous aspirons en tant qu'acteurs des médias, c'est-à-dire vraiment, cette convention collective qui n'a que trop duré. Mais d'aucuns, oui, pensent que euh, quand euh, vers l'amélioration des conditions de vie et de travail euh, des journalistes avec la mise en œuvre de cette convention. C'est du pupo, je vous <laughs> assure, mais madame, Oui, <laughs> Non, et d'avis, euh, quant à l'amélioration des conditions de vie et de travail euh, des agents euh, des médias, c'est ce que vous voulez savoir avec cette convention collective. avec cette convention collective, si on arrive à signer cette convention collective, hein, dans les normes, dans les, normes, avec tous les acteurs, oui, avec ah tous les acteurs, moi je me dis que ça serait vraiment quelque chose de bon pour les travailleurs qui sont dans ces médias-là. Hum, hum, hum, Mais dès le début, s'il n'y a pas eu le consensus autour de la signature, parce que quand j'ai vu euh, la signature a été intervenue sans les promoteurs, sans les promoteurs, il faut le dire, qui sont dans le groupe de Artin, c'est déjà une faille pour cette convention collective. Parce que c'est pour ça que je me suis dit que le ministère de la Communication, le ministre en charge de la Communication, a encore fait appeler ces promoteurs mhm. pour qu'ils puissent encore discuter des probabilités. Qu'est-ce qu'on peut résoudre très rapidement pour que une la bonne convention, pour, une mhm. bonne effectivité de cette convention collective. Mhm, le jour où ils ont signé la convention collective, le ministre a bien dit qu'il donne un délai d'un an. C'est-à-dire ah, un an. Et à la date d'aujourd'hui. Oui. <laughs> Non, un an, ça n'a pas duré. Un an pour que les promoteurs puissent en discuter avec le ministère de la Communication mhm. pour trouver euh, euh, un terrain d'entente. Mais je me dis, avec la réunion, peut-être, hein, la réunion, la dernière réunion du mhm. vendredi, ça va aboutir à quelque chose. Parce que on ne peut pas chaque fois, les promoteurs ne peuvent pas chaque fois s'accrocher à des choses qui ne peuvent pas être réglées rapidement. Mhm, Pendant ce temps, ce sont les journalistes, les hommes de médias qui en pâtissent. Déjà, nous savons les conditions dans lesquelles vivent, précaires, dans lesquelles vivent ces, hommes de mmh, médias. Mmh, mmh, C'est insupportable. Donc, il faut trouver un consensus parce que sans ces hommes de médias, les groupes de presse, vous allez fermer. Parce que ce sont eux les travailleurs. ce sont, non, ce sont eux les travailleurs. Mais aujourd'hui, en minimisant cette catégorie de personnes, parce que je me dis c'est en minimisant cette catégorie de personnes, <coughs> mhm. parce qu'il n'y a pas une volonté ni du côté donc de ces promoteurs, mhm. ni même du côté du ministère de la Communication à signer cette convention collective. Parce qu'ils ont demandé, les promoteurs ont demandé. Donc, quand vous demandez, quand vous demandez, vous faites vos propositions. Mhm. Ce que le gouvernement peut faire, le gouvernement va vous dire voilà les points sur lesquels, on, peut, on, peut, rapidement trouver une solution. Mais si d'aventure les propositions que le gouvernement pense qu'il peut régler, les promoteurs disent que eux, peut-être ces propositions ne les agréent pas, mhm. mais nous allons continuer à rester dans cette situation. Donc ça veut dire qu'il faut rapidement trouver un terrain d'entente pour que nous, eh, les hommes de médias que nous sommes là, nous puissions... En, une demi-minute, parlant de propositions pour joindre euh, mes propos à ceux de Mme Maïmouna, c'est-à-dire... Hein, au, ministère en charge vraiment de revoir sa copie en faisant un vrai ciblage des acteurs. Ah, c'est-à-dire vraiment en, en, ciblant qui, qui, vraiment doivent, les vrais acteurs. au conseil d'administration mm-hmm. de la maison de la presse, vraiment de descendre de son piédestal. Mm-hmm. Aux promoteurs aussi eux-mêmes de lâcher du lest et de mettre à défaut de l'eau dans leur vin, de mettre de l'eau dans leur boule. Ainsi, je pense que le cadre sera créé et qu'on peut converger vers... Euh, ah, oui, des savez, rapidement. Mm-hmm. Oui les concernés, ça veut dire les journalistes, ils font quoi pour revendiquer leurs droits Justement. Dites-moi, quel mouvement, quelle action ont-ils posé pour revendiquer leurs droits Ils sont là, comme des moutons. Ils sont réunis en syndicat. non, mais non. Il y a les organisations de Il y a les organisations qui militent. Non, même si la, lutte, la lutte, quand par exemple au niveau des syndicats, les corporations syndicales, mm quand il y a un problème dans le secteur, c'est les ouvriers, les travailleurs, ils décident de déclencher une grève en premier. pour contraindre. Mais quand les gens sont là comme des moutons, ils sont d'accord pour aller prendre 5000 francs, on les humilie même. C'est parce qu'ils ont assez misérabilisés, ah. Nous réformons, nous sur ce chapitre, Ousseini. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre à ce forum. l'éducation éducation à présent. Il ressort du Conseil des ministres du jeudi 13 janvier 2022 que le gouvernement nigérien envisage de recruter cette année à la fonction publique des enseignants, qu'ils soient du primaire, du secondaire et de l'enseignement professionnel et technique. Plus de 2500 enseignants du secondaire et plus de 5214 du primaire. Au niveau du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB, cette décision de l'État est bien accueillie Néanmoins, l'on demande un rehaussement du nombre des enseignants du primaire. Chérif Aïssoufa, il est le premier secrétaire général du SINASEP. Je vous propose de l'écouter. Au niveau du primaire, il est prévu 5214 euh, enseignants âgés de 45 ans à plus. Et cela pour leur permettre de profiter des avantages de la retraite parce qu'à partir de 45 ans, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils euh, ne peuvent pas avoir euh, plus de 15 ans de service qui peuvent leur permettre d'avoir accès aux avantages de la retraite. 6500 autres seront recrutés en tenant compte des autres promotions pour euh, intégrer la fonction publique. Maintenant, les modalités de recrutement sont actuellement en cours de, de réflexion. Alors, euh, nous, nos attentes c'est plutôt un plan d'absorption de l'ensemble des contractuels d'éducation. Et si avec les 6500, je ne pense pas que les années à venir peuvent nous amener à la fin de la contractualisation parce que nous comptons plus de 110 000 enseignants contractuels. Alors c'est pourquoi nous avons fait des propositions d'un recrutement conséquent. Parce qu'il faut qu'on revoie le nombre, n'est-ce pas, à la hausse et puis euh, faire un plan qui va tenir compte de promotion par promotion. C'était là donc le premier secrétaire général du SINASEB, le syndicat national de l'éducation de base. c'est du coup que, que, que que pensez-vous vraiment de cette décision du gouvernement de recruter vraiment cette année, de finir avec la contractualisation aussi du primaire euh, À entendre les concernés, euh, j'ai comme l'impression que le responsable du SINACEB euh, il est aussi tout optimiste, comme si ils ont oublié. Pour moi, peu importe le nombre, c'est-à-dire il ne faut pas attendre à vouloir mettre fin à cette contractualisation. Je mhm. vous assure, euh, le bout du tunnel n'est pas pour bientôt. Je ne joue pas les oiseaux de mauvaise augure. Ça, c'est un de deux. quand vous renseignez dans le milieu de l'enseignement, que ce soit le primaire, le secondaire, ils sont combien euh, ces enseignants à être recrutés des années après, mais mhm, qui mhm. jusqu'à présent euh, ne sont pas euh, dans leurs droits, droit. c'est-à-dire rappel, machin, en tout cas, les, les qui devraient leur revenir. Mm. Donc, si c'est pour venir ajouter à, cette, masse, encore pour que euh, l'on soit encore à, la place d'hier, comme dirait l'autre, moi je pense qu'il faudrait d'abord mettre ceux qui ont été recrutés et qui jusqu'à présent n'ont pas été mis dans leurs droits euh, c'est bien beau de vouloir euh, mettre fin à cette contractualisation, mais ça le serait davantage si on les met dans les conditions euh, vraiment à, ce que ce qu'ils ne puissent pas penser que même si étant intégrés, c'est comme s'ils sont dans cette posture de contractualisation. Donc moi, je pense que les syndicats, les, les, syndicats en charge de l'éducation doivent beaucoup plus tabler sur ce côté. Mm. C'est ne pas se fier au nombre qu'on veut intégrés à tous les niveaux, mais vraiment ceux déjà intégrés, c'est de lutter, c'est de prendre les dispositions, voir les mécanismes qui devraient être mis en place pour qu'effectivement ils soient mis dans leurs droits. Sinon, euh, le nombre que vous avez dit, il apparaît, il apparaît assez pléthorique. Mmh, mmh, mmh. S'il vient se greffer à ceux déjà intégrés préalablement et que tout cela... Euh, arrive à se regarder comme ça sans pour autant être dans leurs droits. Ils doivent miser sur la qualité et non sur le nombre. Justement, indépendamment même de la qualité, c'est-à-dire, même s'ils misent sur la qualité, c'est bien beau. Ça, c'est un facteur déterminant. C'est vraiment, il faut qu'on. Surtout que les enfants de, de ça, une de leurs préoccupations, mm-hmm. euh, euh, l'éducation la qualité, ça c'est indéniable, mais indépendamment de cette qualité, une fois recruté, il faudrait quand même que, vous sentiez que vous mhm. n'êtes pas dans, votre... Euh, la casquette a changé, quoi. <laughs> Donc, euh, il ne faut pas jouer sur le nombre, on va intégrer, on va intégrer. C'est bien beau. Et mhm. s'ils ne sont pas mis dans leur droit, on so what. Maimouna, êtes-vous optimiste vraiment quant à la concrétisation de ce recrutement et les conditions, pensez-vous qu'ils seront vraiment réunis Je joins à ce, à ce que Sidi a dit si les conditions ne sont pas réunies, parce qu'il faut regarder, il y a des enseignants qui ont été recrutés de 2018, mhm. bien avant 2018, qui jusqu'à présent, jusqu'à présent ne sont pas dans la situation de leur rappel et tout. Mhm. Donc s'il faut encore euh, faire bénéficier d'autres enseignants et ne pas pouvoir les mettre dans leurs droits, moi je me dis que c'est peine perdue. Donc il faut d'abord essayer de, de, de revoir la situation de ceux qui sont déjà euh, à la fonction publique et qui n'ont pas bénéficié de leur rappel jusqu'à présent avant d'entamer ou bien d'envisager de faire d'autres recrutements. Mhm. Parce qu'il ne s'agit pas, il faut, quand on fait un recrutement, c'est pour que tu changes de casquette. Mais quand on te fait un recrutement et que tu es toujours, tu te sens toujours dans la même casquette, les conditions de vie ne sont pas améliorées moi, je me dis que c'est peine perdue. Et avoir aussi une, une retraite euh, meilleure. Une retraite meilleure. Maintenant, on vient pour le cas des enseignants âgés, mhm. entre 45 plus, où ils vont bénéficier, pour les faire bénéficier de la retraite. Mais, mais moi, je me dis, pourquoi ils ont attendu jusqu'à ce jour pour pouvoir les recruter, pour qu'ils puissent bénéficier de la retraite mhm. Pour leurs agents qui sont en dépassement de d'âge, oui. Ça va se passer comment Est-ce que le gouvernement a réfléchi à tous ces paramètres-là Parce que je me dis qu'il faut, quand on veut finir, quand on veut aller vers euh, euh, l'amélioration des conditions des travailleurs, il faut aller dans le sens que tous les travailleurs puissent en bénéficier. Oui, oui. C'est ça aussi. Mhm. parce Parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres aujourd'hui qui pouvaient bénéficier de ça depuis des années, mais qui ne l'ont pas fait. Mhm. Ils n'ont pas eu, euh, pas eu gain de cause. Aujourd'hui, <laughs> la santé est là. Le secteur de la santé. Tous les secteurs sociaux de base. tous les secteurs sociaux de base. Aujourd'hui, si tous ces secteurs sociaux de base tombent sur le gouvernement pour demander à ce que aussi on recrute, de la même manière qu'on a recruté ces enseignants contractuels, je vous assure, ça sera un problème. Mhm. Un problème que le gouvernement ne pourra pas solutionner très rapidement. En tout cas, il faut les régler. Sinon, à l'âge de la beaucoup iront même à la sans, pour, sans autant bénéficier. Voilà. autant être mis dans leur droit. Mm-hmm. Un problème euh, qu'il faudrait vraiment trouver de, solutions solution au CENI. Qu'en pensez-vous de cette décision J'ai entendu le. Le secrétaire, le premier secrétaire le général. premier secrétaire général Argent dire qu'ils sont 70 000. Dans 70 000, c'est combien qu'on a dit il y, aura plus de 5214 plus de 6500. Faites la soustraction. Il va rester encore combien C'est ce qu'il a identifié. N'est-ce pas C'est quoi Est-ce que c'est une prouesse ça Est-ce que c'est une prouesse C'est déjà bien bon de commencer. Non. C'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Non. <laughs> Moi, je veux du principe. Je veux du principe. On ne blague pas avec l'école. Mhm. Mhm. N'est-ce pas L'école, on ne triche pas. N'est-ce pas Que ce soit le niveau primaire, il y a de CI jusqu'à CM2. N'est-ce pas mhm. Avec des maîtres dans les classes des enseignantes. On ne peut pas tricher. Et l'enseignant est obligé d'aller chaque matin. En tout cas, tous les jours ouvrables, il doit être à l'école pour pouvoir dispenser. Voilà que des gens viennent. Parce qu'ils ont créé une situation pendant des années à l'époque, à l'époque, tous tant qu'ils sont, tous tant qu'ils sont, c'est directement de l'université, c'est la programmation, mm. ou c'est l'enseignement, ou c'est tel secteur, ou c'est tel secteur. On a paupérisé les gens, on a créé une situation, d'abord c'était civique, service civique. N'est-ce pas Ensuite on dit, bon, volontaire. N'est-ce pas Des auxiliaires. Ah, volontaire. Ensuite, on est tombé dans la contractualisation pendant des années et des années. Il y a des pays qui l'ont expérimenté, qui ont abandonné, parce qu'ils ont compris que ce n'était pas la meilleure option pour pouvoir développer ce secteur-là. Aujourd'hui, mm-hmm. qu'on me disent que non, non, non, on va. Et puis les gens sont contents, ils acclament. Alors, les 70 000 moins 5 000. 5 000. Il reste encore combien 65 000 et quelques. C'est quoi on a réglé comme problème Est-ce qu'on a réglé quelque chose Alors, qu'on ne me dise pas, parce que c'est une façon de blaguer avec ce secteur-là. Malgré les promesses que lui, le président Batum a eu à prendre, on veut banaliser, on veut... Non, non, mhm. ça ne règle pas le problème. Et donc, selon vous, que faut-il réellement faire vraiment pour euh, promouvoir la qualité de l'enseignement La qualité de l'enseignement, c'est quelle qualité de l'enseignement Je pose la question. Mais c'est quelle qualité de l'enseignement Mais on a mis tout le monde dans le même sac. Tout le monde. Ça dit qu'un temps, on prenait, on prenait tout le monde c'était devenu le dernier mm. recours en tout cas. Oui. C'était devenu. À l'époque, n'est pas alors, qui veut. Mais aujourd'hui, on avait, après, quand ils se sont rendus compte quand ils se sont rendus compte que c'était une bêtise, ils ont dit ah, on va évaluer. On a évalué. On a mis des gens de côté. Mhm. Aujourd'hui, on dit bon, on ne peut pas prendre tout le monde, mais on va voir dans quelle mesure. Chaque année, c'est chaque année qu'on doit recruter 5 000 ou mhm. bien c'est juste cette, la période. c'est la période de Bazoum, 5 ans. C'est ça <laughs> Non, je veux savoir. Parce que je veux dire, pour absorber tout ce beau, les 70 000, il faut attendre combien d'années C'est déploraient même le premier Alors, mais, ou bien, <laughs> on, absorbe tout le monde. Mhm. Et l'État n'a qu'à se donner les moyens de trouver les moyens mhm. pour pouvoir prendre tout le monde et puis leur donner des formations pour ceux qui n'ont pas suffisamment de formation pour mm. enseigner, mm. ou bien on ferme les écoles où on ne peut pas maintenir où on ferme les écoles. Merci donc, merci C'est pas une bonne non, mais, d'insécurité. Non, mais alors, mais bon, non. On va il faut trouver en tout cas le savant mécanisme. Hein. donc vraiment que, les voies et moyens. oui, les choses pour, la, pour, une meilleure qualité. Par rapport à l'emploi, on a fait ça. Moi, je vais dire par rapport à l'emploi là. C'est aujourd'hui que les gens viennent poser le problème. À l'époque là, oui. à l'époque, tu sortais de l'université ou de n'importe quelle école, directement. Mais c'était la belle euh, programmation. C'était la, belle époque où c'est la, programmation. Alors, nous, terminons ce forum de la presse euh, avec euh, du, du, sport. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, la 33e édition, débutée le 9 janvier dernier, se poursuit jusqu'au 6 février 2022 au Cameroun du coup, à la date d'aujourd'hui, euh, quel bilan peut-on tirer vraiment des, matchs disputés pour ce premier tour euh, dans un premier temps, euh, cette canne, indépendamment de quelques impairs, vraiment l'édition a pu se tenir, ben, est en train de se tenir. Mhm. L'autre remarque, c'est que vraiment, on a vu les grands sont en train de tomber, comme quoi il n'y a pas de petite ou grande équipe, toutes les équipes se valent. En tout cas, le Ghana l'a pris à ses dépens mhm. et le Maroc s'en est tiré in extremis. Même le Cameroun, pays organisateur, son dernier match, il s'est tenu par le score de parité, un but partout. Vraiment, euh, nous sommes en train de vivre vraiment une des cannes euh, les plus, mhm. euh, je ne dirais pas incertaines, mais les plus vraiment imprévisibles, où les grands sont en train de tomber de leur piédestal. vivement que l'ordre soit bouleversé, et pourquoi pas qu'un petit poussé <laughs> puisse être vraiment détenteur de la Coupe de la présente édition. Et malheureusement, notre pays n'y participe pas. Oh bon, notre pays, euh, pour le moment, euh, il faut que, on dit le linge sale se lave en, ah, famille. il faut créer les conditions euh, pour qu'on finisse avec euh, ces joueurs euh, importés, exportés là qui viennent de, qui ne sont pas à même de défendre véritablement dignement et vaillamment les couleurs. on n'en est pas encore là, mais essayons d'abord d'avoir un championnat assez acceptable de, niveau qui puisse permettre à nos joueurs, nos joueurs, d'aller vendre leur talent à mhm. l'international. Mhm. Ainsi, nous pouvons rêver à une participation. Pourquoi pas N'attendons pas coutume de dire que impossible n'est pas nigérien <laughs> Mais Mona, on ne sait pas si vous êtes vraiment un peu accro au football. <laughs> je ne suis pas accro mais, au football. Euh, oui, mais on sait que cette année, pour la première fois de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, une femme a arbitré <laughs> un match accompagné d'autres femmes oh comme assistante. Oh. Vous, quelles sont vos impressions non, je, je, me dis que c'est une bonne chose pour la première fois. Euh, ça veut dire que euh, les femmes dans ce métier, les femmes sont en train de persévérer et de s'affirmer, et de s'affirmer, de s'imposer, parce que c'est le domaine où on sait que c'est les hommes, exclusivement réservé aux hommes, mais cette fois-ci, mm. les femmes ont démontré qu'elles sont présentes, elles peuvent faire la même chose que ces hommes sont en train de faire. Pourquoi pas Donc vraiment, c'est une bonne chose et c'est à encourager c'est encouragé et je pense que ça ferait école mhm. pour euh, d'autres euh, qui sont d'autres femmes qui sont dans le domaine mhm. euh, à persévérer davantage pour arriver à ce stade-là. Mhm. quelle est l'analyse que vous faites de la Cannes 2022, Depuis que ça a commencé, oui. j'ai regardé un seul match. Et ce seul match que vous avez regardé, qu'est-ce que vous Et ça aussi. Deuxième partie. <laughs> Tout de même. <laughs> Circonstanciellement. <laughs> Circonstanciellement. Mm-hmm. Donc vous n'avez rien à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Mais le peu. Tout au plus, je peux m'aligner de Sidikou qui dit que les grandes équipes, les grandes nations de football sont ah. en train d'être malmenées. Ah, Ça, Cameroun, Algérie. Maroc, Ghana, certains pays, les petites équipes peut-être se eh, sont quand on dit Cap Vert, quand des pays comme Cap Vert, où ils arrivent à tenir un échec euh, des, grandes nations comme... Bon, je dis a pas les choses bougent. Mm -hmm. Ça dit qu'il n'y a plus de petites équipes. Ah, elles se valent toutes ces équipes en tout cas. Les équipes qui sont là-bas, mais pour moi, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Je vais regarder la finale, demi-finale. Les phases finales. D'accord, en ce moment, vous pouvez demander ses impressions à <laughs> euh, vous, Sidikou, qui, qui, qui avez eu la chance ou bien qui continuez de suivre ces matchs, euh, sur quelle équipe vous misez pour la fin remporter la euh, coupe. Vraiment, je dis, euh, à défaut, j'ai pas une boule de cristal devant moi, mais moi, ce que je retiens, mhm. euh, vraiment, pour ne pas me tromper, je ne veux pas me hasarder à citer une grande nation de football. À partir du moment où j'ai vu que les petits poussés sont en train de bousculer les, les, les grandes nations dites de football, c'est pour ça que je dis ça peut être peut-être la canne de toutes les surprises. Pourquoi pas qu'un mm-hmm. petit poussé mm-hmm. puisse être détenteur de la coupe, puisqu'on mm-hmm. a vu difficilement dans les matchs de poule, les grands ont eu à tirer leur épingle du jeu. les petits poussés, ça les a <laughs> galvanisés. Prions qu'au deuxième tour, que nous assistions vraiment à mhm. autant de surprises parce que euh, vraiment, il faudrait que les choses changent. il faudrait que l'ordre qu'on connaissait auparavant puisse être changé. Mhm. Donc, euh, j'ai je, nourris le vœu de mhm. voir une équipe euh, dite de petite nation, mais de petits poussés, euh, remporter cette canne-là. Déjà qu'ils ont eu à bousculer ces, ces, ces, grands-là euh, dans la première phase. Une canne de surprise, donc Mimouna et Ousseini, on doit vraiment se mettre à suivre cette canne hein, <laughs> pour suivre les surprises à venir. Bon, concédons leur peut-être les phases finales, là, ils vont commencer à suivre. <laughs> Donc, nous sommes donc au terme de ce forum de la presse de ce vendredi 21 janvier 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Memoune Diado, et les journalistes indépendante, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Ousmane Sidi Koudumbia, également journaliste indépendant. Merci, chers invités, d'être venus. N'oubliez pas le nouveau programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à FADA. Et à partir de 18h15 les samedis et, dimanches, le forum Hausa et Anzalma. C'était C'était Nafisa Adam Sirfou à la modération, Mustafa Yuba à la technique et Issa Lawali à la régie vidéo. Au revoir.